Rufisque Ouest. Cette forte mobilisation confirme l'ancien ministre des Sénégalais de l'Extérieur comme la candidate légitime selon les différents intervenants, à l'image de Mamoudou Tchomban, président du mouvement CAI pour la citoyenneté. ku wal mburu tudd dëkk da nga ànd ak suñu doom danga nga ànd ak rakk da nga ànd ak jigéen danga nga ànd ak suñu xarit ñu koy wax Adja Ngone Ndoye

destination Médina, fief de l'ancien ponte politique Fombaï Diop. Devant la villa du défunt président des porteurs de pancartes, Ngonendoy se veut digne héritière du flambeau politique légué par Mbaye Diop. se en Aujourd'hui, ici, devant mes parents et ma famille, à côté de la maison où je suis née, où je suis encore vivante, devant cette maison, je fais le serment, moi, d'être la réincarnation du président Baïjac, d'être l'avenir de Mérina et de Rufus, ici, devant chez lui. La jeunesse aussi s'est décidée sous l'égide de ce jeune cadre papiam. Elle choisit Ngone comme députée à l'Assemblée nationale. Selon Pape Madame Ndoye en a la capacité, vu sa ténacité, sa pugnacité, son dynamisme, mais aussi et surtout ses actes de bienfaisance à l'endroit de toutes les couches sociales de la ville de Rufisque. Le temps donné, cette population s'engage à élire Gonendoy comme représentante du peuple rufisquois quel que soit le prix à payer.